voilà auto police est et comme d'habitude avons euh, nañ ko parcelle nous euh, avons parcelle nous avons Nous ñu HLM euh, mec descend le truc là-bas Nous dem montre-les montre-les s'il non non je voilà donc nous dem HLM ñu dem HLM euh, marché HLM gis ngeen euh, ñu distribuer euh, spécimen Diomaye président ndaxte ci jamono campagne la ñu nekk tey ñu waxoon ne dañuy ñëw fi appel à Assane et dis-leur de venir ici c'est tout et en fait ñu ñëw fi Tëngéej balay Tëngéej ñu demoon HLM bi ñu demee HLM gis ngeen police bëggoon nañ ñu arrêté et ñu lànk ne leen dañoo nekk si campagne électorale et Ken, kenn duñu faire def campagne électorale lu conseil constitutionnel a li nga xam ne le le député Yéwi Asken Wi déposé ci le euh, conseil constitutionnel pour wane ni euh, li député APR yi député Macky Sall yi wax loi bi ñu voté loi bobu loi bu bax la lo rek moye mun moye mun tax duñu def campagne électorale mais en attendant en attendant recours bi député yewi Askan Wi def ci conseil constitutionnel c'est suspensif Madame, dañoo wat ci jamono campagne électorale kenn duñu tere campagne électorale donc li police manam Tëngéej di def suñu ginnaw auto ak suñu kanam auto gis ngeen oto bii moo jàkkaarloog suñu auto ci ginnaw mu am ci ginnaw mu am benen auto police man ak dañ euh ci ginnaw mu am benen auto police ñu ngi fi ak seen ngànnaay bi ñu bloqué mais duñu campagne mané dañ bon du deug du yoon c'est un ordre manifestement illégal moo tax mbokk yi dañ doon circuler nañu focus. ñu bloqué oto ñii di wax waxu dialogue ba pare di def lii. ba pare dialogue taxu leen jóg. dialogue taxu leen jóg. li leen tax a jóg mooy ñuy waxtaanee leneen lu dul coup d'état constitutionnel. putsch bi nga xam ne président Macky Sall da ko bëgg a def ñu fàtte coup d'état constitutionnel boobu. bu ñu fait un coup d'état constitutionnel oto police suñu na armée yëpp na gendarmerie na armée yëpp na gendarmerie yëpp ñëw cet ordre manifestement illégal campagne électorale ci nekk dañuy distribution dañuy nous suñu spécimen ngir askanu Sénégal ragné li nga xamné que suñu bulletin di bulletin Diomaye président donc ñuy de di lancer appel askanu Sénégal yépp ñuy lancer appel askanu Sénégal yépp ne bu kenn delu ginnaw ñun ñëpp nañu japp dañuy campagne électorale dañuy jëm élection dimanche 25 février 2024, nous une dañuy jëm élection le 2 avril moi, bés bu le mandat président Macky Sall daf ñuy delloo li ñu muy mandat Dès le 3 avril 2024 Macky Sall le président de la République Nous def li nga que Macky Sall nous ko président Ablaye Wade respecter respecter constitution président Macky Sall nekkul di respecter constitution mo waxone dañuy taxawal gouvernement parallèle di ngeen taxawal gouvernement parallèle ndaxte à partir du 3 avril 2024 Macky Sall le président donc mbokki la désobéissance civile continue mbokki la résistance continue allô mbokki yi Sénégal la ah. démocratie la république la ma leen di fàttali ne ñu ngi fii Tëngéej police su Macky sàll police bi nekk fii ci Tëngéej bloqué ñu ci kanam bloqué ñu ci ginnaaw te du dëgg du yoon du dëgg du yoon policier yaa ngi fii policier yaa ngi nii ñu sol seeni kagul d'accord te képp kuy sol kagul di dem seeti ay citoyen yow naroo lu baax ah? yow naroo lu bon ñun nag dañuy résister ñun sommes une campagne Nous sommes dañuy jëm élection ñun le 2 avril nous je bu le ci président Macky Sall lépp lu muy def bu yóbboo profito ci fan yu muju yi ko ci Sénégal ta fan yoyu di le 2 avril 2024 citoyens yep, fuñu ñu munti nek. fii ci Sénégal 14 régions 46 départements ak diaspora bi fépp fuñu munti na citoyen yëpp jóg taxaw na citoyen yëpp lànk na citoyen yëpp tëdd ci suuf ma kay fàttali mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu ñu ngi fii Tëngéej ñëwoon fii ak patriote yi nekk département Tëngéej ngir joxe suñu ay spécimen jomaay président ndaxte ci campagne électorale la ñu nekk egg si nañ Tëngéej bloqué nañ ñu jàpp nañ suñu chauffeur yóbbu nañ ko xaw ma fuñ ko yóbbu ñu jàpp suñu chauffeur di ko euh, di ko laaj ay kayitam ndekete boobu ay lay la woon pour pour ñu téye ñu fii la temps renfort yi agsi loolu mooy lu am fii Tëngéej mooy lu bees ñu koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem di wax ne kuy woote jaloog doo doxalee nii kuy woote dialogue doo doxalee nii kuy woote jàmm doo doxalee nii kuy woote xawma pacification doo doxalee nii léegi nag ñun ñu ngi fii suñu oto dañoo bougé wul dañoo génnul ci oto bi ñuy xaar nag ñoom lu ñu bëgg ñuy xaar ñoom lu ñu bëgg fii lañuy ñuy toog suñu oto ndax dañuy toj oto bi nañ ñu ko wax ndax dañuy gazé oto bi nañ ñu ko wax waaye fii ci oto bi lañuy ñuy toog ba ñu wax ñu ñoom lu ñu bëgg waaw waaye jaay doole bi dafa war a jeex tappale bi dafa war a jeex raytan pour le président ah Macky Sall gën Yag, à quelle sauce il va nous manger nous dafa war Djer. donc euh, nous sommes ici dans le département de Rufisque nous sommes ici dans le département de Rufisque où nous sommes venus prêter main forte aux patriotes du département de Rufisque bah. dans le cadre de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du dimanche 25 février 2024. Nous sommes venus prêter main forte aux patriotes de Rufisque, ici au Sénégal, pour distribuer les spécimens de notre candidat, Bassirou Diomaye choisi par le président Ousmane Sonko et Pastef, dans la perspective de l'élection présidentielle du dimanche 25 février 2024. Eh bien, arrivé euh, ici à Rufisque, vous avez vu les images, il y a une voiture de police devant notre voiture, il y a une voiture de police derrière notre voiture. Nous sommes encerclés. Ils ont arrêté notre chauffeur. Nous sommes ici dans notre voiture, bloqués, encerclés par la police. Et ça, c'est tout simplement illégal. C'est illégal parce que nous avons le droit de battre campagne, de faire campagne électorale. C'est illégal parce qu'il y a eu un recours qui a été déposé au niveau du Conseil constitutionnel du Sénégal pour dénoncer la loi voter à l'Assemblée nationale, qui est une loi anticonstitutionnelle, qui est une loi contraire à la Constitution, qui en fait consacre ah, un coup d'État du président Macky Sall. Et donc, ce recours que nous avons déposé au niveau du Conseil constitutionnel suspend la loi anticonstitutionnelle qui a été votée à l'Assemblée nationale. Elle suspend le décret illégal et illégitime du président Macky Sall renvoyant le corps électoral qui avait été convoqué. Mais je rappelle qu'en plus, le décret qui fixe l'élection présidentielle au 25 février 2024 n'a pas été rapporté, n'a pas été annulé. Et donc nous sommes encore en campagne électorale et tous les candidats toutes les coalitions de candidats ont le droit de battre campagne actuellement. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui à Rufisque, après l'avoir fait au marché HLM, après l'avoir fait au parcelle. Nous sommes donc encerclés par quatre voitures de police. Il y en avait deux. Maintenant, nous sommes encerclés par quatre voitures de police. Et cet encerclement est illégal les citoyens sénégalais ont le droit d'aller et venir partout sur le territoire national. Mais deuxièmement, nous sommes en campagne électorale, nous avons le droit de parler avec les populations, de les habituer à la couleur de notre spécimen, de notre bulletin de vote, et c'est ce que nous sommes venus faire ici. Donc cela est tout simplement illégal. Les policiers qui sont en train de nous encercler sont en train d'appliquer un ordre manifestement illégal. Et cela ne restera pas impuni. C'est pourquoi, encore une fois, je lance un appel à tous les agents des forces de défense et de sécurité. Recevoir des ordres ne vous protégera, ne vous protégera pas de l'application d'un ordre manifestement illégal. Nous sommes en campagne électorale. Nous n'accepterons pas le coup d'État du président Macky Sall parce que oui, il s'agit bien d'un coup d'État consistant, 10 heures avant le démarrage de la campagne électorale, d'annuler l'élection présidentielle du 24, du 25 février 2024. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État que de réunir l'Assemblée nationale qui n'en a pas le droit et de proposer une loi pour le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 au 15 décembre 2024 c'est illégal, c'est anticonstitutionnel, c'est tout simplement euh, euh, un coup d'État. Parce que le mandat du président de la République se termine le 2 avril 2024. Et donc nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais. Où que vous soyez, résistons. Où que nous soyons, résistons. Où que nous soyons, faisons de la désobéissance civile. Parce que ce coup d'État ne devra pas passer le Sénégal n'est pas une monarchie. Le Sénégal n'est pas une royauté, n'est pas un royaume. Le Sénégal est une république démocratique. Et dans une république démocratique, il y a une constitution. Et cette constitution limite le mandat du président de la République à deux mandats. Eh bien, c'est ce mandat-là qui se termine le 2 avril 2024. Et nous disons à nouveau au président Macky Sall, nous lui disons les mêmes mots qu'il avait prononcé à l'époque à l'endroit du président Abdoulaye Macky Sall, à l'époque, disait au président Abdoulaye le 2 avril, si vous ne rendez pas le pouvoir, nous vous délogerons du palais. Eh bien, je voudrais que le président Macky Sall, pour la énième fois, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, je le répète en dehors de l'Assemblée nationale, vos propres mots vous seront appliqués Monsieur le Président Macky Sall, le 2 avril, c'est votre dernier jour. Vous ne nous rendez pas le pouvoir. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez être délogé du palais présidentiel. Vous, le putschiste Macky Sall, nous allons mettre sur pied un gouvernement d'union nationale de transition qui sera le nouveau gouvernement au service du peuple sénégalais. Oui, mobilisons-nous. En 2011, le président Macky Sall avait fui les luttes du, M, euh, 23 pour aller faire campagne. En 2024, ce qui s'impose à nous, c'est deux postures. La première posture, c'est de lutter énergiquement contre, contre ce coup d'État du président Macky Sall. La deuxième chose, deuxième tâche qui s'impose à nous, c'est de battre campagne parce que nous sommes encore en campagne électorale. Et c'est dans le cadre de cette campagne électorale que nous sommes venus ici à Rufisque pour prêter main forte aux patriotes du département de Rufisque pour distribuer nos spécimens à la population, discuter avec la population, faire campagne et les inviter à voter massivement pour le candidat de la coalition Jomai Président, pour le candidat du président désigné par le président Ousmane Sonko, pour le candidat du peuple, je veux nommer Bassirou et donc, oui, nous attendons qu'ils nous disent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent euh, briser euh, nos vitres Est-ce qu'ils veulent... Euh, est-ce qu'ils veulent briser nos vitres Est-ce qu'ils veulent briser nos vitres Est-ce qu'ils veulent nous gazer Eh bien, nous sommes dans cette voiture pour l'instant. nous attendons. Voilà. Donc, voilà le message que nous avions à vous donner. Nous sommes ici à Rufisque, encerclés par quatre voitures de police, encerclés par des policiers qui appliquent un ordre manifestement illégal. mbokk yi ñu ngi fi ba léegi Tëngéej waaw ñu ngi fi ba léegi Tëngéej ñaari auto police moo fi nekkoon ci ndorteel bi léegi ñeenti auto police moo fi nekk waaye suñu baat ca kaw na armée yëpp ñëw lii Macky Sall di leen di defloo du dëgg du yoon ndax ci jamono campagne la ñu nekk gendarmerie yëpp ñëw. Li président Macky Sall di leen di def loo fii ci Tëngéej wër suñu auto du deug du yoon na police yëpp ñew na police yëpp ñew li ñuy def mais police fi ci Tëngéej du deug du yoon donc euh mo donne euh, suñu hmm? il faut écrire quelque chose sur X voilà li moo nekkoon euh, suñu cadeau mo